Je pense que euh, d'abord il faut féliciter euh, l'équipe nationale U20, euh, le coach Malik Daf et l'ensemble du staff et surtout la délégation pour le travail qui a été fait jusqu'ici. Je pense que cette compétition a montré que l'équipe U20 est restée dans sa tradition de ces huit dernières années, toujours performante. Et euh, c'est quand même euh, des phases de, groupe et des quarts de finale qui ont euh, donné beaucoup de satisfaction avec un certain équilibre qu'on a pu voir dans cette équipe, une qualité de jeu, une solidarité qu'ils ont montrée et surtout une efficacité des deux côtés du terrain avec beaucoup pas mal de buts marqués, mais surtout une solidité défensive qui augure de lendemain meilleur. Et je pense que ces valeurs-là ils les ont gardés parce qu'ils savent que même si nous sommes qualifiés en Coupe du Monde, le Sénégal euh, de 2023, euh, c'est un Sénégal qui veut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire euh, quand nous sommes dans des compétitions, on arrive à ce stade, nous n'avons qu'une seule envie, c'est aller au bout, gagner les trophées. Et nous sommes là pour ça. Et je pense qu'eux en sont conscients. Ils savent qu'après après leurs aînés de l'équipe A, après leurs aînés de l'équipe du Chan, euh, c'est à leur tour euh, d'assurer une qualification en finale, voire gagner un trophée. Ils vont se donner à fond. Je sais qu'à ce niveau-là, on peut compter sur le coach Malik Daf, qui ne lâche jamais le morceau. Euh, c'est un gagnant et qui a toujours su justement transmettre son envie, sa volonté, son engagement pour son pays à ses joueurs. Et après, je sais on a une génération exceptionnelle. nous la tenons euh, cette saison euh, avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités, Aussi bien ceux qui ont évolué dans notre championnat que ceux qui ont participé au dernier Chan victorieux, que ceux qui sont venus en renfort. Et ça aussi, je pense que c'est important, les Sénégalais le savent pas. Tous ces jeunes-là, Mamoudou Lamine Kamara, je parlerai de Pape Demba, je parlerai aussi du capitaine Samba Diallo, euh, ils ont fait des sacrifices pour être là, parce qu'on n'est pas dans des dates FIFA, mais ils ont voulu venir et c'est pour ça qu'ils nous ont facilité les discussions avec le club. Donc ça montre leur motivation pour leur pays et je pense que euh, demain, contre la Tunisie, ils vont se battre, quel que soit le moment où nous gagnerons, pour remporter euh, ce match-là et nous qualifier en finale et samedi essayer de perpétuer cette nouvelle tradition qui veut que nous allions en finale pour gagner. Euh, comme nous avons de compétition parce que euh, avons en Nouvelle-Zélande dem avons suñu yu jigéen yi euh, mais nous na ci jamono yi ñu football bu jigéen ci investissement mais xamoon naa aussi que euh, ak euh, staff bi ak euh, suñu fédéraux yi liggéey bi ñu ko doon def saa yu nek ñu ngi doon waxtaan di euh, échanger ci liggéey bi rax ci doli ñu gis équipe bi bo xamné xar kanam bi mu woné fi ci phase de groupe yi ak ci quart de finale dal na xel et euh, mu nek équipe bo xamné vraiment xarañte bi mu won woné ci kanam ci but yi ak ci milieu bi comme ci défense bi dal na xel bokk nañ ci équipe yo xamné ñu ngi laal bant

seen euh, motivation ak seen solidarité bi ñuy wane ndëgg euh, ni début bi ñu dooree ba léegi ñu continuer ko taxawal pour suba contre Tunisie pour que yàlla may ñu am ndam gëm nañu ne war nañ ko mun def mais surtout bu fekkee yàlla may nañu ndam suba ñu dem ci final bi parce que léegi euh, defe naa suñu bàkk rek mooy xanaa dem final pour gagner ko la donc te ñoom dinañu wéy ci li nga xam ne seen magu équipe A bi wane nañ ko seen magu CHAN yi

Euh, dañu ñëw rek euh, ci turi football sénégalais mais ci euh, turi ensemble sénégalais yëpp ñëw taxawu leen encouragé leen ñaax leen wax leen sénégalais ñu ngi leen di bàyyi xel ñu jéem a comme niñ koy baax di waxee rek léegi continuer manko wuti ndam ci kaw ndam et gëm naa ne joueurs yi ma gis ak seen xarañte ak ni ñu taxawee ak seen qualité war nañu mun gañe ku nekk fii ba jël raaya bi indi ko Sénégal jërëjëf parce que gis nga ñun